Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangou que vous recevez via son réseau de 52 radios partenaires repartis dans les huit régions du Niger. Bienvenue à tous dans le forum de Studio Kalangou que nous enregistrons aujourd'hui au palais du 29 g de Niamey où se tient depuis le 25 février la 7e édition du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage Sahel-Niger. Le thème du salon est l'agriculture nigérienne dans la zone de libre-échange continentale africaine, comment assurer la modernisation des techniques, la compétitivité des chaînes de valeur, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Ce salon est organisé par le Réseau national des chambres d'agriculture du Nigerica en partenariat avec le ministère de l'Agriculture et des autres ministères sectoriels les producteurs agricoles de la transformation agroalimentaire au Niger. Quelle innovation C'est le thème de ce forum. Et pour en discuter, nous sommes avec euh, M. Bawagao. Il est le président du comité technique chargé des conférences à cette foire, le Sahel-Niger. Il est également le directeur de l'agence de promotion du Conseil agricole. Bonsoir. Euh, nous sommes également avec Mme euh, Madame Fatoumata Kefi, elle est transformatrice agricole. Bonsoir. Bonsoir, Madame. Monsieur Mohamed Abdelaziz, il est transformateur agricole également et président du GUE 3B, le collectif des producteurs bio du Niger. Bonsoir. Bonsoir. À la modération, c'est Nafis Adam Sirfou. Bonsoir, à tous, chers auditeurs, auditrices de Studio Kalangoun. L'agriculture nigérienne de la zone de libre-échange continentale africaine, comment assurer la modernisation des techniques, la compétitivité des chaînes de valeur, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. C'est le thème, donc, je le disais, retenu pour cette année, pour euh, ce salon. Je commence par vous, Monsieur Bawagao. Euh, pourquoi le choix de ce thème Merci, Madame. Je crois que Peut-être faisons un petit recul. D'abord, c'est celui de comprendre la création de cet événement, donc le Sahel lui-même, qui est le salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'élevage et de l'environnement. En réalité, vous voyez que en termes de ministère, c'est le ministère, ce sont les ministères du secteur rural qui sont concernés. Donc cette initiative du salon date quand même d'une de longtemps. de longtemps, date de longtemps, parce que nous sommes à la septième édition et je crois qu'il y a eu des ruptures parce que l'an dernier, ça n'a pas eu lieu. Et pour quelles raisons d'ailleurs euh, Bon, l'an dernier, c'est pour des raisons, comme vous savez, il y a la pandémie de Covid-19 et surtout aussi, il faut dire que c'était un moment de changement institutionnel parce que les gens n'étaient pas prêts politiquement. Mais <clears throat> pour revenir sur la question elle-même, le choix du thème de cette année, l'agriculture nigérienne dans la zone de libre-échange continental, quel comment moderniser, améliorer les pratiques, mhm. accompagner les femmes et les jeunes est un choix d'actualité. Un thème d'actualité. Mhm. Vous savez que le Niger avait abrité, il y a deux ans, la conférence de l'UA. et notre président est un champion. Mhm. Donc 56 pays 55 actuellement, en tout cas, qui ont souscrit, veulent, ouvrir leur marché. Donc on s'était dit que si on fait un salon de ce genre qui regroupe les huit régions, parce que c'est le plus grand événement agro-silvo-pastoral que le Niger en dispose, qui regroupe les huit régions du Niger et tous les secteurs confondus. Il est au-delà de Hotongo ou de Festival de l'Aïe. Donc nous nous sommes dit que ça serait l'occasion de voir comment le Niger de Saint-Roger, est-ce que nous disposons d'un potentiel pour conquérir ce marché Donc c'est et pour cela, pour le conquérir, il faut analyser les acteurs. Il faut savoir notre potentiel et comment on se structure pour partir à la conquête de ce salon. Effectivement. Donc, en gros, oui. Donc voilà les raisons. Ce marché qui s'ouvre est une opportunité. Aujourd'hui, on ne connaît pas quel est notre potentiel. Mhm. Est-il compétitif Parce que maintenant, tout celui qui dit qu'il faut partir à la conquête d'un nouveau marché, c'est de la compétitivité. Justement, parlant de potentiel, quelles sont les potentialités euh, euh, présentées à cette foire Parce qu'on sait qu'à cette euh, septième édition, c'est toutes les huit régions du Niger qui sont représentées. Quelles sont les potentialités présentées à cette foire Elles sont ah, nombreuses. potentialités présentées, peut-être, c'est dire que quels sont vraiment les produits présentés. Et ces produits présentés ont-ils un potentiel pour conquérir un marché nouveau Oui, je pense que le premier potentiel nigérien, c'est vraiment peut se baser sur son élevage. L'élevage, oui. On le voit avec... Euh, euh, son élevage, j'ai vu un panneau au ministère de l'Agriculture, il parle de 43 millions de têtes, toutes espèces confondues. Ça veut dire que chaque Nigérien peut manger une chèvre, ramenons à cela, et puis on a de quoi encore vendre à l'extérieur. Donc c'est ça. C'est-à-dire la compétitivité, là, et le potentiel, c'est avoir en quantité, en qualité, et qu'on puisse en tout cas le mettre sur le marché et que le marché le prenne. Et, quelle est la spécificité, euh, spécificité de cette septième édition La spécificité de cette septième édition, c'est sur les chaînes de valeur. Les chaînes de valeur, c'est-à-dire on regarde, on s'était dit que bon, on veut être compétitif, mais c'est quoi nous amenons Donc si nous ne construisons pas sur les chaînes de valeur, nous allons perdre. Mhm. Je m'en vais vous édifier en disant que vous savez que le Niger, si on ouvre ce marché-là, continue à perdre s'il vend le bétail sur pied. Il perd la corne, on peut faire des boutons, c'est une chaîne de valeur. Il perd la peau, il perd les, les cornes, il perd ce que l'animal transporte en termes de euh, fumure qu'on peut faire. Donc vous regardez. C'est une chaîne. Oui. C'est une chaîne et la viande elle-même. Alors que le Niger a gagné si sur la chaîne qu'il s'engage dans la vente de la viande, les carcasses. Donc il garde tous les sous-produits sur place que d'autres peuvent prendre et transformer et intégrer dans l'agriculture. Donc je pris cet exemple-là pour que les gens comprennent que nous devons travailler sur la valorisation et sur les différents, euh, euh, différentes chaînes de nos, nos, filières. Et justement, nous sommes là avec euh, des jeunes transformateurs agroalimentaires. nous sommes avec Mme Fatoumata Kefi, vous êtes transformatrice agroalimentaire. Euh, vous êtes la PDG de Fanta House. Présentez-nous Fanta House. quels sont les produits que vous transformez Merci madame. Je suis la promotrice de l'entreprise Fanta House et qui domine de la transformation agroalimentaire. Fanta House a vu jour en novembre 2017 et nous transformons tout ce qui est céréales issues de notre agriculture locale comme le riz, le maïs, le sorgho, le fonio, le niébé et que nous transformons en produits finis qui nous donnent des couscous précuits, garnis et simples, garnis avec des feuilles de moringa, garnis avec des carottes et des persils, et des farines pour la bouillie, des farines pour la pâte, des grumeaux précuits comme le dégué, et des grimauds non précuits pour la bouillie. Autant de produits Oui, autant de produits. On a une diversité de produits. Et, avez-vous suivi une quelconque formation euh, avant de vous lancer dans cette transformation agroalimentaire Oui, j'ai suivi énormément de formations, surtout sur le plan renforcement de capacité avec les partenaires. Euh, mes premières formations, c'était avec euh, le Centre culturel américain depuis 2017 et qui nous a accompagnés dans le renforcement de capacité Ensuite, AgriProFocus aussi sur l'hygiène, la qualité et que nous ont accompagné euh, pour avoir aussi euh, la certification de notre couscous de lit. Pour avoir une certification aussi, euh, il faut vraiment avoir une très bonne eh, formation sur la qualité, sur les étiquettes. Donc, on a suivi des formations avec AgriProFocus aussi et la Chambre de commerce aussi. Eh, et, ce genre ces genres de foires, ces genres d'initiatives, qu'est-ce que cela représente pour vous, comme ce Sahel Niger ah, pour moi, c'est vraiment, je veux dire que c'est une grande visibilité parce que si j'ai beaucoup avancé aujourd'hui, je peux dire que c'est grâce au salon de l'agriculture parce que j'avais ma première exposition au niveau du salon, c'était en 2018. 2018. Euh, donc euh, j'avais à peine un an que j'avais commencé la transformation. J'étais venue, euh, j'ai rencontré beaucoup de partenaires qui m'ont conseillé comment avancer, qui m'ont conseillé sur mes produits, comment améliorer mes produits comment améliorer les étiquettes aussi. Et c'est de là, en 2019, j'ai postulé avec un produit que j'ai innové, qui c'était à base de fonio amélioré à l'arachide, qu'on appelle le Ducat. Grâce à ce produit, j'ai été lauréate d'un prix et du président de l'Assemblée nationale d'une valeur de 2 500 000. Et ce sont uniquement les produits locaux que vous transformez Oui, c'est les produits locaux que je transforme. D'accord, nous allons donc revenir vers vous. Nous sommes également avec M. Mohamedou Ablaziz. Il est transformateur également agricole. Il est le président du GIE 3B, le collectif des producteurs bio du Niger. Euh, présentez-nous donc euh, votre structure. Euh... En fait, euh, je suis promoteur d'une entreprise agricole qui fait dans le moringa biologique qui s'appelle Gouroubi. Et comme on fait donc dans le bio, on a décidé de porter une initiative qui va regrouper tous les producteurs qui font du bio. donc en plus, au-delà de, l'activité de Gouroubi même, donc on a créé ce collectif qui regroupe tous les producteurs qui ont un point commun. Le point commun, c'est nous sommes en train de promouvoir une activité autour d'un cahier de charges qui, on va plante le décor de tout ce qui est production biologique. Mais personnellement, vous travaillez sur le moringa. Mon entreprise s'est spécialisée dans la culture, la transformation et la commercialisation du moringa. Comme l'a dit M. Bawa, nous, avons une vision d'adressage de, la chaîne de valeur. Nous avons pris le moringa et nous essayons de décliner toute la chaîne de valeur du moringa. Donc nous avons créé, élaboré des gammes de produits nous avons trois gammes principalement. Nous avons une gamme thérapeutique qui est distribuée dans les pharmacies. Nous avons une gamme alimentaire et nous, avons, nous adressons une gamme cosmétique qui est composée de l'huile de moringa, ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous sommes en train de valoriser tous les résidus issus de la transformation. non seulement nous faisons la chaîne de valeur des produits et nous recyclons les déchets pour en faire d'autres gammes de produits. Donc c'est vraiment cet adressage de chaîne de valeur que nous avons compris et M. Bao l'a dit. Aujourd'hui, nous ne gagnons pas en, transportant ou en exportant des matières premières brutes. Nous gagnerons plus en transformant. La transformation nous permettra non seulement de créer de la main-d'œuvre supplémentaire, mais ça nous permet aussi de créer des emplois. Et ça nous permet aussi d'adresser ce marché de la ZLECAF qui va bientôt s'ouvrir. Et nous essayons donc d'être compétitifs sur le développement de la qualité de nos produits et sur les certifications, etc. Et justement, euh, comment vous analysez le paysage de l'agroalimentaire ici au Niger Bon, le, paysage, en fait, la particularité de notre paysage aujourd'hui, c'est que euh, tout à l'heure vous avez posé la question à Fanta, c'est que on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de potentialités en termes de produits locaux. Mais avant, ces produits locaux n'étaient pas transformés sur place. Et nous, ce que nous faisons, toute cette euh, génération de transformateurs, ce que nous faisons, c'est que nous valorisons ces produits-là et nous déclinons des gammes qui sont bien présentées. Et aujourd'hui, ces produits, les produits de Fantas, il y en a qui sont sous des grands, grands rayons. C'est présenté de telle sorte qu'ils peuvent se retrouver sous des marchés internationaux. Les produits de Gorubis c'est exactement la même chose. Donc nous faisons des produits de très bonne qualité, mais qui respectent des standards internationaux en matière de présentation et tout. Donc il y a un potentiel. Pour répondre directement à votre question, on a la possibilité de faire beaucoup de choses avec nos produits et le, le, secteur est en, mouvement. C'est maintenant qu'il est en train de se mettre en place et nous sommes donc en train, nous essayons d'être le, le, pont mhm. et nous, nous, sommes en train de faire donc la promotion de cette qualité-là mhm. de produits. D'accord. Alors, euh, Monsieur Bawa, comment vous analysez l'engagement de ces jeunes de la transformation agroalimentaire ici au Niger euh, Merci, Madame. Je crois que pour une personne qui a suivi un peu le début de l'organisation de ce Sahel, on peut dire qu'aujourd'hui, Dieu merci, on trouve un regain. On trouve un regain de, ces jeunes transformateurs donc à rentrer dans l'approche qualité. Ils font de la transformation, ils innovent. Donc approche qualité, je veux dire en ce sens, qu'ils aujourd'hui, les produits ont changé. Avant, c'était sommairement conditionné. Aujourd'hui, euh, c'est rustique, quoi. C'est nigérien, tu viens, vraiment, c'est artisanal. Mais ce salon, je crois que l'une des innovations en termes de produits, c'est aujourd'hui la rentrée vers la certification, la labellisation, l'approche qualité des produits et transformés au Niger. Maintenant, ces engagement de ces jeunes entreprises, il faut le dire, on vient de sortir d'un atelier, d'un panel qui est sur le financement innovant de l'agriculture, donc comment améliorer la compétitivité de nos produits. la question reste sur place, c'est celle qui revient le plus souvent, c'est celle de l'accompagnement, accompagnement technique et, et financier. Il est là. Donc ces jeunes entrepreneurs ont besoin de l'information, ont besoin de savoir là où se trouvent les opportunités et ont besoin encore d'être renforcés pour que leurs produits soient en tout cas montés et qu'ils puissent se mettre dans la quantité. Parce que ça ne sert à rien. Aujourd'hui, tu fais un joli produit, tu inities les gens, mais tu n'arrives même pas à satisfaire une commande de 100 000. Tu ne réponds même pas à une commande de 100 000, ça ne sert à rien. Et tu ne seras pas compétitif. Quelqu'un va voir à côté, va faire un semblant de ça, et puis il va prendre le marché. La question donc de la compétitivité revient toujours. On le sait que le secteur agroalimentaire, euh, il doit aussi répondre à la demande croissante des clients euh, pour des produits innovants. Alors, Madame Fanta, euh, quelles sont les innovations que vous apportez dans la transformation de vos produits Les innovations que nous apportons au niveau de la transformation, c'est d'abord l'emballage. Au niveau de l'emballage, il y a eu beaucoup d'améliorations et tout ça là, c'est grâce à nos partenaires et qui nous accompagnent. Parce qu'avant, tout le monde le savait, quand vous voyez les produits transformés, c'est bon. Même si le produit est bien fait, si l'emballage n'est pas bon, on ne peut pas sortir, on ne peut pas le présenter à n'importe qui. Donc aujourd'hui, vraiment, les casse-têtes là, ça commence à aller. Et au terme d'innovation aussi, et sur la transformation, nous transformons beaucoup de produits. Avant, quand vous prenez le riz du Niger, les gens regardent le riz, peut-être il faut faire le riz avec la sauce ou bien le dambou qui n'est pas bien fait. Aujourd'hui, avec l'innovation, il y a beaucoup de riz transformé, il y a beaucoup de variétés. Et quand vous prenez le niébé aussi, avant les gens connaissaient le niébé, le haricot seulement qu'on fait dans les marmites, mais aujourd'hui sur les plats, il y a beaucoup d'innovation. Et le moringa, nous le prenons comme ça pour faire le copto, le mélanger, alors aussi alors qu'il y a beaucoup de voir sur divers produits. Mhm. Donc, euh, sous terme de transformation, je peux dire que vraiment, les gens ont initié beaucoup, ils ont initié mhm. beaucoup d'innovations sur les produits transformés. Et en termes de matériel également que vous utilisez dans ce métier, est-ce que euh, vous avez euh, aussi des innovations apportées quant à l'utilisation de nouveaux matériels Oui, et grâce à, à l'initiative 3N, et moi, j'ai reçu une conditionneuse de farine et qui emballe 1000 kilos de farine l'heure. Oui, et donc, grâce à cet équipement, j'avais reçu euh, en 2021 une commande de plus de 20 millions que j'ai exécutée en moins de deux mois. Oui, si, si vous avez plus de 1000 par heure, donc ça peut aller. oui. oui donc vraiment, je veux dire mhm. Dieu merci. Et sous l'innovation aussi, il y a la certification, ça peut partir aussi. On a déjà deux produits qui se sont, certifiés, qui ont été certifiés. Quels sont ces produits il y a le Dégué 2000, mhm. les Grimaud Précu 2000, qui s'appelle le Dégué, qui a été certifié mhm. par l'ANMC mhm. avec euh, l'appui des 3 Z. Et il y a le couscous de riz aussi qui a été certifié par l'ANMC grâce à AgriPro au Oxfam. Mhm. Monsieur euh, Abdelaziz, je vous repose la même question. Quelles sont les innovations euh, que vous apportez dans la transformation du, Moringa oh, donc, euh, nous, ce qu'on a essayé de faire, hein, comme j'ai dit, en plus, Fanta vient de le dire, le moringa, il a pas que la version les gens connaissent. on a essayé d'innover en développant des gammes. on, a découvert beaucoup de vertus sur le moringa. Et du coup, on a développé une gamme qui est vendue dans les pharmacies, que les gens achètent. Nous avons développé une gamme cosmétique aujourd'hui et nous extrayons l'huile de moringa pure, qui est une matière première que les industries de cosmétiques sont en train d'utiliser. Et aujourd'hui, en termes d'innovation digitale, on va dire, c'est que nous, on a, on a, on a vraiment intégré le digital dans tout notre, euh, tout notre déploiement commercial. Et aujourd'hui, nous avons conçu un site internet qui est couplé à une plateforme de vente en ligne. En ligne oui. Donc ça nous donne une grande visibilité sur tous les marchés. Et vous à les couler même à Et nous arrivons justement, les clients peuvent commander via une plateforme et se faire livrer sur le plan national. Et nous sommes en train d'adresser le marché international. Et Fante l'a dit, Initiative 3N est en train d'accompagner la transformation en prenant en charge la certification, la labellisation. Mhm. Elle, elle dote certains avec des équipements. Et 3R nous accompagne aussi. Aujourd'hui, nous avons donc acquis du matériel qui nous permet de faire la transformation hygiénique et automatique. Et nous sommes dans le processus de moderniser notre processus de transformation et de coulement. Et justement, parlant d'où vous est venue cette euh, idée de digitalisation de l'agroalimentaire en fait, moi, je suis informaticien comptable de formation. Je suis agriculteur, je ne suis pas agronome, donc je n'ai pas laissé la main sur ce que je sais faire. Et j'essaie d'utiliser le, digital avec le maximum de son potentiel. Aujourd'hui, tout celui qui est dans le monde des affaires peut avoir, partage certainement cette vision. Le digital, c'est un outil aujourd'hui de travail qu'il faut intégrer dans la démarche. Et nous, c'est tout naturellement que le digital, nous l'avons intégré. Et le fait d'utiliser le digital nous permet d'avoir, d'atteindre beaucoup de, de publics Aujourd'hui, nos produits sont vus partout dans le monde grâce à ce site internet qui est accessible de partout. Et ça nous permet d'avoir une plus grande audience. Et en termes de com, nous avons donc une page Facebook euh, que nous alimentons régulièrement. Donc nous avons vraiment le digital est totalement intégré dans notre démarche et de communication et de démarche vers la clientèle. Et c'est tout récemment que vous avez intégré cette digitalisation En fait, euh, l'entreprise Gorubi a été créée en 2016. Et depuis 2016, nous avons intégré directement. Le digital est venu automatiquement dans notre démarche de, modernisation. Depuis 2016, donc, nous adressons le digital dans, vraiment dans notre déploiement. Et vous avez constaté un grand changement Tout à fait. Aujourd'hui, nous nous adressons plus de 80% de nos ventes sont faites via l'Internet. Alors, euh, nous poursuivons donc euh, ce forum. La digitalisation euh, est utilisée par ces transformateurs. Qu'en pensez-vous de cette initiative Merci, madame. Vous abordez une nouvelle thématique. Oui. Je crois un truc à la mode. La digitalisation, ça va me permettre d'abord de présenter mon institution pour, pour mieux comprendre. Moi, je suis de l'agence de promotion du conseil agricole donc vous euh, où j'assume la responsabilité du directeur général. Alors, cette euh, innovation de la digitalisation dans le secteur agricole, nous l'avons voulu, nous l'avons voulu, parce que le rôle de ABCA, c'est de donner le conseil et le bon conseil. Tous ceux qui dérivent les conseils, là, qui donnent le conseil, en fait, nous les fédérons. Il y a trois groupes de délivreurs de conseils. Il y a l'État, il y a la profession agricole et il y a le privé agricole lui-même. Donc ces acteurs, nous cherchons autour de l'agence du conseil agricole à les mettre ensemble pour que leur offre de services soit de qualité. Je m'en vais vous dire, Fanta est une transformatrice. Elle va partir à une banque prendre de l'argent. Quand elle prend son argent, elle a besoin du conseil pour que cet argent-là puisse être mieux investi et mieux fructueux. Et ça, c'est le rôle de APCA. Donc la digitalisation, nous l'avons voulu, par exemple, premièrement dans le conseil agricole. Le conseil agricole, parce que l'an dernier, vous avez vu, on n'a pas pu tenir ce salon à cause du Covid. Donc le présentiel était pressement inadmissible. Tu ne peux pas rester pour donner des conseils à des producteurs comme ça, comme nous le faisons aujourd'hui. Donc on a voulu innover à ce que le conseiller agricole puisse utiliser la digitalisation pour pouvoir contacter son producteur à distance. Et actuellement, autour de APCA, nous avons une plateforme digitale qu'on appelle Doodle. Doodle, c'est tous les produits du conseil agricole, nous les avons regroupés, digitalisés et mis à la disposition du ministère de l'Agriculture pour que le conseiller agricole puisse, par un coup de doigt, cliquer et puis accéder à l'offre de, à la dimension du conseil dont il a besoin. Donc nous disons que c'est une très bonne approche. Elle permet de rapprocher le producteur au conseil. Elle permet de minimiser certains frais de distance euh, en charge et aussi, elle permet de supprimer vraiment beaucoup de logistique. Euh, beaucoup de logistique. Mais ce n'est pas une que Nous sommes aujourd'hui le taux euh, de pénétration du TIC au Niger. Il reste dérisoire. Et le prendre, l'amener en ruralité, ça, devient encore plus compliqué. Mais on a une jeunesse que nous sommes obligés d'accompagner. Donc il faut la mettre dans cette dynamique mondiale, moderne, pour qu'elle puisse être, euh, en tout cas au diapason, qu'elle puisse être présente. Donc c'est une très bonne chose que euh, <clears throat> nos jeunes rentrent là-dedans. Mais il faut qu'eux aussi, au lieu de rester sur les technologies, qu'ils se mettent dans l'agriculture. Euh, il faut qu'ils s'investissent, qu'ils se mettent dans la culture. Il faut... prendra note donc. Ok, alors Madame Fatoumata, eh, est-ce que tout comme euh, Goroubi de M. Abdelaziz, vous utilisez également le digital pour euh, écouler vos produits oui, on utilise le digital parce qu'on fait notre communication à travers les réseaux sociaux, à travers les ventes en ligne aussi et à travers les médias aussi. Et comment ça se passe concrètement ah oui, comment ça se passe concrètement Bon, on a des pages Facebook et pour, pour l'entreprise. on a aussi euh, les pages Instagram et on a des affiches qu'on fait. Donc, euh, avec euh, les médias aussi, pendant les foires, il y a la presse écrite qui est là, il y a les journaux, les télé, la radio. Et donc c'est comme ça que ça se passe. Madame Fanta, euh, en tant que femme jeune entrepreneur, transformatrice agricole, qu'est-ce que cela a changé dans votre vie Cela a beaucoup changé dans ma vie parce que j'étais employée de banque depuis 1998 jusqu'à 2018 j'ai décidé de démissionner et de l'emploi pour entreprendre. Donc euh, vraiment, pendant 20 ans de carrière que j'ai fait à la banque, euh, et c'est comparable, oui. C'est pas, c'est pas la même chose. Vous avec vous y retrouvez vraiment oui, dans ce secteur-là. je me retrouve vraiment dans le secteur-là, oui. Parce que dans ce secteur, j'ai beaucoup voyagé, des voyages d'études qui m'ont permis vraiment d'avancer. Et aussi les chiffres d'affaires, je veux dire que vraiment Dieu merci. Hmm. Et quelles sont euh, les initiatives que vous envisagez de faire pour vraiment moderniser voilà. vos produits C'est de voir l'entreprise Fanta House devenir une grande industrie de transformation de céréales. On sait qu'au Niger, il y a des industries dans le domaine de lait. Mais jusqu'à présent, au niveau du céréal, on ne voit pas. Jusqu'à présent, nous, les commerçants arrivent à, prendre la farine des pays euh, à côté, des pays voisins. Donc vraiment qu'on arrête tout ça là et que je vois à Fanta House une grande industrie et qui, peut servir le Niger et l'international aussi. Alors, est-ce que tout comme euh, Fanta House euh, Gourbi aussi, vous vous retrouvez vraiment, Monsieur Abdelaziz Bon, comme Fanta House, moi aussi, je suis un, un informaticien comptable converti. Mhm. J'étais cadre dans, chez un opérateur téléphonique et j'ai quitté en 2016 pour me consacrer à cette activité. Donc, eh, de 2016 eh. à aujourd'hui, je ne vis que de ça. Donc, c'est pour dire que je me retrouve très bien. L'entreprise Gorubi, elle fait son petit chemin et nous avons des grosses ambitions. Aujourd'hui, nous voudrons nous positionner sur le marché international et être leader sur le moringa biologique à l'international. Donc, euh, nos ambitions, nous ne nous positionnons pas au marché du Niger, hein, mais nous avons comme challenge à relever. Nous voulons être leader sur le marché international du moringa biologique pour la fourniture des entreprises euh, du monde entier. Oui, le chiffre aussi, il on, on, est, en croissance, on va dire. Vous savez, bon, une vie, la vie d'une entreprise, c'est plusieurs années. Mhm. Nous venons de finir nos premiers cinq ans. Nos objectifs au bout de cinq ans ont été atteints. Nous avons créé une marque qui est déposée chez l'OAPI. Nous avons nos produits sont en train d'être certifiés. Nous allons bientôt bénéficier d'une certification qui s'appelle EcoCert, il y une certification internationale qui permet d'adresser toute l'Union européenne, les États-Unis et le Canada. Donc ça va être notre euh, vraiment prochain challenge, c'est d'aller concrètement sur ces marchés et nous nous attelons à le faire. Et, vous employez aussi euh, des jeunes, vous créez de l'emploi pour les Nous créons énormément d'emplois parce que euh, les entreprises agricoles ont cette particularité. Par exemple, nous avons des, des, emplois en zone rurale. Nous avons plus de 10 salariés, des pères de famille qui travaillent sur nos sites. Et nous avons du personnel à Niamey pour la transformation dans les ateliers et tout. Mais nous comptons créer beaucoup d'emplois. C'est en termes de potentiel que nous avons besoin de. Vraiment, nous visons la création d'emplois pour l'exportation, pour la transformation de nos produits. Et, ce genre de rencontre, euh, qu'est-ce que cela représente pour vous, comme la foire Sahel Pour nous qui sommes dans le domaine agricole, je peux dire que c'est le plus grand événement vraiment d'envergure nationale qui commence à dépasser déjà le national. Et nous, pour nous, la foire euh, Sahel, c'est un événement incontournable, c'est l'un des plus importants euh, pour nous et il nécessite notre présence. C'est une plateforme sous laquelle donc, nous avons toujours des nouveaux clients, nous arrivons à voir nos produits et nous arrivons à avoir beaucoup de visibilité. Donc c'est un, une plateforme qui est incontournable pour tous ceux qui sont dans le secteur ici au Niger et nous incitons, nous demandons aux autorités de faire en sorte que cette plateforme soit encore plus grande, que euh, vraiment ça soit une occasion de faire certains plaidoyers pour que vraiment les filières et les acteurs de la filière soient mieux accompagnés oui, que Fanta a soulevé un point aujourd'hui, les céréales, comme elle dit, les, farines de mille nous viennent souvent des pays voisins, notamment du Burkina. Et les autorités du Burkina viennent de décider d'interdire l'export de cette farine de ville. Donc autant de raisons pour que justement des entreprises locales soient accompagnées pour qu'elles puissent fournir le marché. Mhm, d'accord. APCA, l'agence de promotion agricole, quel accompagnement vous apportez à ces, jeunes transformateurs Bon, euh, L'accompagnement de réside dans le conseil. Parce que vous savez, un transformateur, la première des choses qu'il cherche, lui, c'est accéder à l'argent. Notre institution a des domaines de conseil sur lesquels elle prennent les transformateurs. Donc ça, c'est soit des conseils spécialisés. Nous, ce qu'on fait, donc, on prend ce promoteur qui a eu son dossier, qui a été financé par la banque, on s'assoit avec lui, on s'assoit avec lui et on identifie son besoin en conseil. Donc, euh, si c'est un transformateur, là, on va avec lui et on lui identifie les dispositifs ou là où il doit partir pour avoir, si c'est un conseil à l'installation à l'entreprise euh, d'une unité de transformation, comme on est sur la chaîne de transformation, c'est de voir là où on peut trouver les machines de qualité au meilleur prix pour l'orienter à ce qu'il puisse acquérir ses Donc monter des projets dès au départ aussi, pour partir à la banque, on les accompagne euh, là-dessus. Maintenant, il y a des promoteurs pour garantir qu'une entreprise soit durable. Nous sommes dans ce rôle donc de l'accompagnement aussi économique autour de ces exploitations, les montrer les voies par lesquelles leur entreprise peut se durabiliser. Parce que très souvent, qu'est-ce qu'on fait Un promoteur jeune, il s'engage et les deux premières, trois premières années, c'est la période des difficultés. Il, n'arrive pas à tenir. Par exemple, il a pris un crédit banquier. Mais maintenant, comme il ne voit pas que la banque vient venir vers lui, il pense que ça y est, les échéances, il les, jette. Tout ça là, donc ça a besoin que un accompagnement de proximité qui lui dit attention, qui lui dit va dans ce sens, qui lui dit... Donc dans la durée, nous le suivons dans la durée jusqu'à son installation effective. Donc voilà en tout cas ce que, en termes de démarche, ce mhm. n'est c'est pas nous qui faisons, mais nous on donne, on oriente, on donne, on amène chez les spécialistes. Mhm, d'accord. Voilà. Alors Madame Fanta, euh, quelles sont vraiment les difficultés que vous rencontrez sur euh, le terrain <laughs> Oui, bon les difficultés ne manquent pas. On a toujours besoin d'accompagnement parce que, comme je l'ai dit, on veut devenir des grandes industries et ce n'est pas facile, c'est un long chemin. Et sans accompagnement, on ne peut pas y arriver. Donc, on a besoin aussi, jusqu'à présent, on a besoin aussi des emballages qui nous fatiguent. Et bien qu'il y ait une usine qui va eh, bientôt être sur place, on ne sait pas dans combien de temps et surtout maintenant les hausses de, des prix de la matière première. Ça nous fatigue. fait face à cette voilà. Euh, Donc nous, on ne peut pas, nos produits sont là, on ne peut pas donner une marge pour une augmentation sur nos produits et la matière première n'est pas le même prix que nous l'avons l'habitude de le prendre. Donc vraiment, si le gouvernement peut jouer son rôle, vraiment entre les producteurs et nous, les transformateurs, et dès la récolte, parce qu'aujourd'hui, on sait que la transformation a pris beaucoup d'ampleur. Oui, donc, euh, si l'État peut jouer un rôle entre les producteurs et les transformateurs, parce que nous, même si on dit qu'on veut faire euh, un, achat de la matière première pour y stocker, on n'a pas suffisamment de moyens. Oui. parce que moi, là où je suis aujourd'hui, je peux faire euh, une tonne, 2000 et en 10 jours. Donc, je peux dire que je ne peux pas avoir et le stock pendant toute l'année mhm. que je peux travailler là-dessus. Il, donc, euh, il faut donc l'aide de l'État. Si l'État peut jouer un rôle qui peut nous aider et vraiment avoir du stock suffisant pour pouvoir transformer et vendre, ça peut nous arranger. Et nous faciliter aussi l'accès des emballages, parce que l'accès des emballages, ça nous fatigue. Mhm. Mais quand même, euh, côté écoulement, euh, ça va pour Ça va, alhamdoulilah, je veux dire que nos produits sortent, parce qu'aujourd'hui, il y a une entente entre nous et les gérants d'alimentation et les pharmacies aussi, parce qu'il y a d'autres produits qui sont dans les pharmacies. Et la population aussi, aujourd'hui, ils ont compris c'est quoi consommer local. La population nigérienne, vraiment, ils consomment le local maintenant. Maintenant, il reste encore vraiment à sensibiliser les gens de continuer à consommer le local. D'accord. Alors, Monsieur Abdelaziz, euh, de votre côté, je rappelle euh, que vous êtes euh, promoteur euh, du Gorbi, Gorbi qui excelle dans la transformation du, du, Moringa. De votre côté, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face Bon, en fait, on a les mêmes difficultés euh, de façon générale. Hein. Moi, j'allais juste ajouter que faire une petite genèse de la période de Covid, en fait, parce que tous, toutes les entreprises en général, les plus particulièrement les petites entreprises, on subit vraiment de, en plein fouet les conséquences de la Covid quand c'est arrivé. Et pratiquement, on ne s'est pas relevé parce que depuis que le Covid est arrivé, il n'y a pas eu tellement de mesures d'accompagnement pour faire face à ça, pour permettre aux entreprises de faire face à ces situations. Et depuis lors, on se bat pour se remettre, on va dire, à flot. Sinon, les difficultés en général, c'est ce que M. Bao a su. Il y a un problème d'accompagnement de, en général pour toutes les entreprises. Malgré ça, ben, nous ne sommes pas fatalistes. Malgré cela, donc, nous essayons de faire avancer nos modèles économiques. Sur le plan de la, de, la, de, la vente, de façon générale, les ventes commencent à se faire vraiment intéressantes parce que, comme a dit Fanta, la population nigérienne commence à vraiment être sensibilisée à consommer local. Puisque avant, le grief qui était fait pour les, aux transformateurs, c'est comme l'a dit M. Bawa, c'est la rusticité des, des produits c'est que les produits n'étaient pas très bien transformés ni bien présentés. Aujourd'hui, cette problématique étant solutionnée, les gens commencent à venir et nous-mêmes, nous faisons un effort pour que nos tarifs soient vraiment accessibles. Donc de ce côté, il y a moins de difficultés. La difficulté réside dans vraiment les conditions, l'environnement euh, de l'entreprise. Il faut qu'il soit soigné. Il faut que les autorités vraiment accompagnent. Il faut que de façon concrètes qu'on permette à ces entreprises de pouvoir accéder au financement, surtout aux outils de financement qui sont le FISAN par exemple et le PIBLAN qui permettent donc aux entreprises d'accéder à des subventions. C'est vers ce genre d'outils de, d'accompagnement que les entreprises doivent pouvoir. Et comme le temps est contre nous, euh, quel est votre appel vraiment pour un meilleur accompagnement l'appel que je ferai pour, la, pour nos clients et la population, c'est de continuer à acheter nos produits, c'est de continuer à visiter ce genre d'événement qui est fait pour, eux, pour nous et pour eux. Mais du côté des autorités, c'est vraiment avoir une politique c'est faire moins de politique en fait. Il faut aller concrètement. On a identifié les problèmes, on les connaît. Et c'est d'éviter de faire beaucoup de. On n'est plus au stade de beaucoup d'ateliers et de séminaires. C'est vraiment de passer concrètement à permettre à ces il faut identifier ceux qui sont actifs et puis aider, aider accompagner. Oui, Madame Fante, donc quelles sont vos recommandations C'est vraiment de continuer à nous accompagner et de continuer <laughs> et acheter nos produits. Surtout, je commence par les membres de l'État, le gouvernement. Les gouvernements, surtout le ministère de l'Agriculture. Je veux que les ministères de l'Agriculture, en commençant par le ministre même, n'ont qu'à commencer à consommer nos produits. Parce que le Nigérien, il a quelque chose en tête. Quand le gouvernement comme ça, ils vont dire, ah, même les autorités consomment les produits. Donc nous aussi, on va acheter. Mhm. Donc vraiment, je lance un appel, c'est un cri de cœur. Il faut que ils acceptent nos produits que nous sommes en train de transformer. Mhm. C'est pour les, populations nigériennes que nous le faisons. Nous le faisons pour tout le monde. Donc il faut qu'ils consomment nos produits que nous sommes en train de transformer. D'accord. Alors je termine avec vous, Monsieur Baogao. Euh, quel conseil à ces jeunes entrepreneurs pour que vraiment euh, le secteur de l'agroalimentaire soit innové Bon, le conseil à promulguer à nos jeunes entrepreneurs, c'est premièrement de leur dire ils sont des entrepreneurs. Être entrepreneur, c'est avoir un esprit entrepreneurial. Ce n'est pas de l'assistance. Ce n'est pas de l'assistance, c'est avoir des projets et partir à la conquête du financement lui-même et partir à la recherche des opportunités pour vendre. C'est pour cela que je leur dis, attention, jeunes entrepreneurs, allez-y peut-être très rapidement. Très rapidement, très rapidement parce que la ZLECA, la qui s'ouvre, c'est quand même 55 pays. Si vous restez à ce niveau actuellement, les autres pays vont venir nous envahir par leurs produits et rentrer dans la compétitivité. Nous avons une agriculture à avantage comparatif. Aujourd'hui, nous avons une tradition de vendre notre oignon. Abidjan, Lomé, nous dans la sous-région, mais c'est insuffisant. Dans un monde de compétition, il faut que nous ayons de la qualité, nous ayons en tout cas aussi cet esprit de partir à la conquête. Notre avantage comparatif doit se transformer en un avantage compétitif. Et c'est ça qu'il veut dire. Donc ces jeunes entrepreneurs, merci, nous les encourageons à rentrer dans l'agriculture parce que ça porte, mais nous les encourageons aussi à rentrer dans la qualité, qualité des produits, traçabilité de leurs produits. Parce qu'aujourd'hui, l'exigence du marché fait en sorte que le consommateur, c'est lui-même qui te demande où on a produit ce produit, euh, ce, ton, aliment-là, et le produit comment. Donc vous voyez, c'est de la qualité, de la qualité, de mhm. l'exigence maintenant. Donc il faut qu'ils comprennent cela. Mais je leur dis aussi, le gouvernement fait un grand effort sur le mécanisme de financement. Aujourd'hui, quand tu prends tout simplement les jeunes qui veulent s'installer, ah, le coût partagé, les mécanismes de financement à coût partagé. On accompagne des jeunes producteurs, euh, entrepreneurs avec 40% de subvention gratuitement. Si tu as un projet de 100 millions, tu as 40 millions qu'on te donne. En termes de subvention. on te dit 50 millions, prends-les que les crédits. Les 10 millions, soit c'est ton effort. Mais je pense que c'est un effort que les et ces mécanismes existent. Aujourd'hui, je crois que le gouvernement est en train de regarder. Sous le potentiel, on est en train de l'exorciser. Aujourd'hui, nous connaissons la, notre potentiel hydrique. Nous avons de l'eau. Il semble que le Niger est un réservoir d'eau, d'eau d'irrigation, d'eau de consommation, d'eau à, vendre. Donc vraiment, valorisons notre potentiel à avantage comparatif, un avantage compétitif. Ils prendront donc notre et c'est donc ici que prend fin ce débat que nous enregistrons ici même au sein du palais du 29G où se tient depuis le 25 février la 7e édition du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage à Sahel-Niger. Nous avons discuté autour de la question des entrepreneurs qui excellent dans la transformation agroalimentaire ainsi que les innovations qu'ils y apportent. À travers les interventions de ces invités, nous avons vu que ces jeunes entrepreneurs excellent vraiment dans la transformation agricole et ils apportent toutes leurs innovations. Il leur faut un accompagnement euh, pour que leurs produits soient écoulés non pas au national, mais au plan international. Alors, merci à nos chers invités, Monsieur Bawagawo. Il est le directeur général de l'Agence de promotion du Conseil agricole et président du comité technique chargé des conférences au Sahel-Niger. Merci à vous. Madame euh, Fatoumata Kefi, elle est transformatrice agroalimentaire, euh, promotrice de Fanta House. Merci également à vous et Monsieur Mohamed Abdelaziz, promoteur de Gorbi. il est transformateur et président du GIE3B, e le collectif des producteurs bio du Niger. À la présentation, c'est Nafis Adam Silfo à la technique. Chambiano Abdelkader, à très bientôt pour une nouvelle thématique.